Canam, canam. Salut, salut tout le monde. C'est l'actu des jeunes comme d'hab chaque week-end avec Rukai Dramane et Olivia Sokbavi. Salut Oli, comment se passe ton week-end Bah, je vais bien, Ruki. C'est quoi T'es pas en forme T'es trop solennel. Si, si, je suis très en forme. <laughs> Alors, super. Alors, il y a quoi au menu de l'actualité D'abord, la collecte d'argent lancée par des jeunes activistes en faveur des sinistrés victimes d'inondations à Niamey. Super. En éducation, nous parlerons du prix de l'excellence et du mérite de la première dame Aïsata Issoufou. D'ailleurs, une jeune fille de 21 ans, primé meilleur élève scientifique du Niger au baccalauréat série C. Le mini-mag est consacré à la clôture hier à Tilaberi du camp national des jeunes avec des activités communautaires menées par les participants. Et comme d'hab, on terminera avec du sport. Super. La crue exceptionnelle du fleuve Niger a occasionné ces derniers jours à Niamey des inondations mettant des centaines de familles de la capitale en difficulté, car sans abri. Oui, Oli, c'est vraiment triste et c'est pour aider ces familles que des jeunes activistes ont lancé lundi sur les réseaux sociaux une collecte d'argent. Après une semaine, l'argent collecté servira à acheter des produits de première nécessité pour les sinistrés. Bah, Ruki, dis-moi comment cette collecte est faite sur les réseaux sociaux C'est ce que Samiratou Boubacar, qui fait partie de ces jeunes volontaires va expliquer dans ce qui suivra. Chaque j'aime revient à 10 francs, chaque commentaire à 25 et chaque partage à 50. À la fin, la personne totalise et elle nous dit combien elle doit donner pour les sinistrés. Après, elle tague à son tour 5 autres personnes qui vont faire le compte chacun et taguer d'autres personnes. Il y a un numéro sur lequel on peut envoyer Orange Monnaie. On aimerait avoir des produits de première nécessité. Nous allons faire le compte, voir ce qu'on a récolté et faire les achats. Donc on va voir un quartier qui n'a pas encore été aidé et faire la distribution là-bas. Cette initiative prouve aussi que les réseaux sociaux ne servent pas uniquement qu'à partager des selfies, ces plateformes servent aussi à poser des actes humanitaires. Oui, Oli, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Parlons éducation à présent. Les meilleurs élèves de l'année scolaire 2018-2019 ont été récompensés cette semaine par la fondation Gourivi Meilleur de la première dame Aïsata Issoufou. Effectivement, Ruki, d'ailleurs, une jeune fille appelée Sahia Ibrahim du lycée d'excellence de Niamey a eu le prix de la meilleure fille scientifique avec une note de 18. 8,5 sur 20 aux examens du baccalauréat C. Il ne faut pas avoir peur des séries scientifiques parce que généralement on dit que les filles ne peuvent pas. Ce sont juste des préjugés les filles, vous pouvez le faire un hein. temps et je vous encourage d'intégrer les séries scientifiques. La série C surtout, le Niger a besoin des filles scientifiques. Euh, le Niger a besoin de l'énergie, donc euh, je dois percer dans le domaine-là. Donc j'étudierai le génie énergétique, Inch'Allah. On va à Agadez pour parler culture avec la fête traditionnelle de Bianou célébrée les 8 et 9 septembre. Cette fête a pour objectif de consolider le brassage, la fraternité et la solidarité entre les habitants de l'Aïr. Suivons ce reportage de Moussa Maman depuis Agadez. Animée par le groupe Ouest et Est d'Agadez, ces dernières années, la fête de Bianou rassemble un monde fou. Ousmane Bianou, organisateur de la fête, explique. Eh bien, en tant que tel, c'est pour la jeunesse en réalité. Et quand on prend Tambari aussi, qui a une place importante qui est toujours choisie par la jeunesse, donc je pense que c'est déjà une implication parfaite. Aujourd'hui, tous ces jeunes qui occupent cette place de Tambari, que ce soit du côté est et ouest, nous sommes fiers parce que c'est eux qui sont à la prise de décision de tout ce qui concerne la fête de Bianou. L'implication des jeunes dans la fête de Bianou est totale, explique Tambari Sidutodo, chef du groupe Ouest. Les jeunes, se sentaient la force des Bianou. Parce que les vieux, sont là pour nous conseiller, pour nous guider. Mais ceux qui pratiquent les bianou proprement dit, c'est les jeunes. Parce qu'on a besoin de la force, de l'endurance. Cette année, les conseils du sultan de l'Aïe ont motivé les jeunes à respecter toute la valeur culturelle de cette tradition de la fête du Bianou. Place à présent à notre minima qui nous emmène à Tilaberi pour la 12e édition du camp national des jeunes du Niger dont le thème était la jeunesse nigérienne face aux défis de la radicalisation, de l'extrémisme violent, de la migration clandestine et la citoyenneté. Bien sûr, pendant une semaine, les jeunes ont mené des activités d'intérêt communautaire, notamment des opérations de salubrité, plantation d'arbres, curage de caniveaux et dons de sang. On écoute ce reportage de Habibou Garba. Ce sont plus de 400 jeunes filles et garçons des huit régions du Niger, mais aussi du Burkina Faso et du Mali, qui ont pris part à cette rencontre de Tilabiri. Outre les actions communautaires, les campeurs ont eu droit à des sessions de formation, des conférences débat, des compétitions sportives et des soirées culturelles. Les résultats attendus de cette rencontre avec Sidi Mohamed, membre du Conseil national de la jeunesse du Niger. Nous voulons contribuer à, en tout cas, poser les jalons de la paix, ou aussi contribuer à ce qu'il y ait, en tout cas, euh, notre contribution pour pouvoir aider la jeunesse à se conscientiser, à éviter d'être embarqué dans les phénomènes du terrorisme, surtout dans l'extrémisme violent. Selon les représentants de la jeunesse du Mali, Abdourahman Diko, ce camp se veut un cadre de brassage et de cohésion sociale entre les jeunes de la sous-région et les forces de défense et de sécurité, notamment à travers le partage des idéaux, le renforcement des liens de solidarité et de fraternité. La jeunesse aujourd'hui, il ne faut pas seulement s'attendre et que l'État ou d'autres qui ont les moyens, malgré nos moyens qu'on a, nous pouvons lutter contre tout acte maléfique qui va engangréner notre société. Et on sait aussi que ça serait un brassage culturel pour le Niger et pour le Mali. Les autorités en charge de la jeunesse se disent très satisfaits de la prise de conscience des jeunes. Elles invitent par ailleurs les jeunes à mettre en pratique les acquis de cette douzième édition qui vient de s'achever. Rendez-vous pour la 13e édition l'année prochaine si Dieu le veut. À présent, la place forte. Les pays qualifiés pour les phases éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar sont désormais connus. Ils sont désormais 40 candidats prêts à tout donner pour faire partie des heureux élus, les 5 nations qui représenteront l'Afrique au Mondial 2022 au Qatar. En effet, débuté le 4 septembre dernier, le tour préliminaire des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2022 s'est achevé mardi. Et après 14 doubles confrontations qui ont mis aux prises les 28 nations africaines les moins bien classées au dernier classement FIFA. 14 équipes ont ainsi validé leur ticket pour le tour suivant. Les 14 équipes gagnantes rejoignent par conséquent les 26, dont le Niger, dans 10 groupes de 4. Le tirage au sort des poules aura lieu ultérieurement. Pour le moment, la Confédération africaine de football n'a pas communiqué à ce sujet. C'est tout pour la des jeunes d'aujourd'hui. Merci à Miss Jeune pour la fidélité. Merci à toi, Ruki. On se capte demain pour d'autres infos. Bye bye, au revoir.